le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Seni Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Enfani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Ménisseroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangou. Notre site internet www.studiokalangu.org. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale universelle permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Le statut de Rome est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Il a été adopté lors d'une conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, dite conférence de Rome, tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome en Italie. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. La Cour pénale internationale est alors officiellement créée. Depuis le 4 mars 2016, 124 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI. Cependant, 32 États supplémentaires dont la Russie et les États-Unis ont signé le statut de Rome mais ne l'ont pas ratifié. Certains, dont la Chine et l'Inde, émettent des critiques au sujet de la Cour et n'ont pas signé le statut. Mais aujourd'hui, le débat autour de la raison d'être de cette Cour se pose. Les États africains ayant fait part de leur intention de quitter le statut de Rome de la Cour pénale internationale ont notamment invoqué la critique postcoloniale d'une justice de blanc ne visant que des Africains. Neuf des dix situations sous enquête ont effectivement eu lieu en Afrique, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en Centrafrique, deux fois au Soudan, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. Cependant, le bureau du procureur procède aussi à des examens préliminaires en Afghanistan, en Colombie, en Palestine, et en Ukraine sur l'intervention militaire britannique en Irak sur des navires immatriculés en Grèce et au Cambodge et il a ouvert une enquête sur une situation en Géorgie. Nos invités, Maître Lerouana Abdurrahman, juriste. Maître Lerouana, bonsoir. Bonsoir. Euh, l'autre invité, Abdelaziz Maman, membre du comité de soutien pour la réconciliation du peuple libyen. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir. Nous avons donc notre invité en ligne, l'acteur de la société civile, Nayusa Jimraou, qui est en ligne depuis Filengue. Nayusa, bonsoir. Bonsoir. Merci donc euh, d'avoir accepté d'être l'invité du Forum du Kalangou. Monsieur, avec nos invités ce soir, nous allons débattre des dossiers traités par la Cour pénale internationale depuis 2009, date à laquelle elle a commencé ses procès et de la réaction de plusieurs pays africains qui ont quitté la CPI pour certains et d'autres qui ont annoncé l'intention de se retirer aussi. Maître Lerouana, partant des objectifs de la création de la CPI, est-ce que, de par tous les procès qu'elle a menés à cette date, elle n'a pas dévié de ses objectifs Merci bien Radio Kalangu et merci également à vos auditeurs qui auront la patience euh, de nous suivre ce soir sur euh, cette cour qui fait aujourd'hui beaucoup de polémiques, notamment des Africains au cours de ces 20 années d'exercice. Mhm, à l'origine, euh, je dois préciser que bien que la Cour a été initiée par un lobby, parce qu'il fallait le préciser. Nous n'allons pas revenir ici point pour point pour citer les noms et autres, mais aux origines, il faut préciser que c'est une Cour qui a été initiée par des grands lobbies. Et lorsqu'elle avait été installée, cette Cour avait pour objectif d'effacer l'impunité face à des dirigeants et des gouvernants dictateurs qui peuvent malmener leurs citoyens. C'était l'objectif euh, de la Cour pénale internationale. notamment sur euh, les grandes catégories d'infractions que vous venez de citer, qu'elle devrait normalement juger, à savoir euh, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre également. C'est vrai que la Cour, elle est en train de dévier de ses objectifs parce que, de par le sentiment de tout un chacun, euh, c'est comme si euh, c'est une cour à euh, deux vitesses qui est en train de sélectionner et qui ne pioche que dans le continent africain. Au regard des crimes qui sont en train d'être perpétrés aujourd'hui et que les auteurs ne sont pas poursuivis, c'est ça qui conduit à toutes ces remarques et puis ces critiques-là à l'endroit de la CPI. Et puis, euh, en ce qui concerne l'Afrique également, nous avons constaté un certain nombre de pays qui sont en train de se retirer, notamment le Burundi, l'Afrique du Sud et, autres. C'est parce que, autre part, les Africains n'ont pas tenu à leur justice. Sinon, bien avant la création de la CPI, en Afrique, nous avons une justice de l'Union africaine normalement qui devrait jouer ce rôle-là. Mais malheureusement, en Afrique, euh, toujours on a tendance à l'importation de ce qui est l'extérieur. Nous négligeons les dispositifs et ce que nous avons à notre sein pour mhm. essayer d'importer autre chose. Sinon, la justice même de l'Union africaine pourrait faire l'affaire. Donc voilà à résumer aujourd'hui eh, les sentiments des Africains, parce que vous venez de le dire que dans les les, les 10 dossiers qu'elle a traités, tous les 9 sont en Afrique. Et nous avons à peu près 23 affaires qui sont inscrites, d'autres qui sont en instruction. Et les résultats, comme nous le constatons, ne concernent que l'Afrique. Toute l'inquiétude est là. Et c'est ce qui a, qui a fait même une certaine limite de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de El-Béchir, la Cour est en train de traîner, elle n'arrive pas à le faire comparaître. Vous avez vu en octobre également lorsque le président kenyan Uri Kenyatta a été convoqué à la cour pour être euh, écouté. À l'époque, euh, j'ai été appelé par RFI Service Hausa sur cette convocation et tout de suite j'ai dit au cours de l'émission d'un débat, j'ai dit que mais ça c'est un morné, un morné parce que la cour en convoquant Uri Kenyatta a voulu qu'il donne un certain nombre d'éléments de preuve, notamment sur les relevés des comptes bancaires et des communications. Donc vous voyez que c'est un peu déplacé de demander à la personne les preuves qui vont l'accuser et qui vont l'accuser. ça va être difficile. D'accord. Et après ce débat-là, une semaine après, euh, on a appris que la Cour a abandonné les poursuites contre Uri euh, Kenyatta. Et également le cas de la Côte d'Ivoire que vous venez d'évoquer aussi, à l'époque quand le dossier a été instruit pour être discuté. J'ai été encore appelé par RFI. On a fait un débat dans ce sens-là où je disais que c'est une justice des vainqueurs. Parce qu'au procès, bien que le statut de Rome prévoit la présence des victimes, parce que dans un procès, même si tu es victime, tu dois être à un procès. on a constaté que pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a seulement le camp Bagbo qui est acculé, alors que l'autre camp, même s'il s'est dit eh, victime, normalement doit être au procès. Et on a constaté que par après, eh, la Cour avait cherché à écouter certaines personnes. Maître, on va revenir avec, avec vous. Ablaziz Maman, est-ce que vous partagez ce même avis que Maître Leroy? Merci Kaka. Comme il l'a dit au début, et que la création de cette cour même a été stimulée par un lobby. J'aurais préféré et je souhaite même qu'il revienne en détail sur ce lobby-là parce que c'est à ce niveau qu'il y a eh, une remarquable eh, observation à faire. Quand des lobbies s'organisent pour stimuler la création d'une cour et qu'on constate les agissements de cette cour, il y a quand même à s'interroger sur les vrais mobiles. Il est vrai qu'il y a des penseurs qui, ont longtemps réfléchi sur euh, dont je partage d'ailleurs l'analyse, qui ont réfléchi sur la création d'une justice internationale pour pallier aux différents abus qu'on peut constater eh, au plan national. Eh, je souligne ici l'analyse de Habermas qui en a et qui eh, également qui préconisait la réorganisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Je fais abstraction de cette analyse pour euh, remarquer que cette Cour a été et je pense, hein, probablement stimulé par ce désir, eh, n'est-ce pas, de maintenir eh, les peuples euh, africains et éventuellement d'autres peuples eh, sous domination. parce que, comme on le constate, c'est pratiquement une cour pour les Africains et même les Africains lesquels. Il y a certes euh, un certain nombre de gens soi-disant terroristes qui sont recherchés par la même cour, mais fondamentalement, c'est des dirigeants africains ou qui ont refusé n'est-ce pas, la politique de l'Occident, ou qui ont eh, eh, plutôt opté pour la souveraineté eh, interne. Donc, euh, au regard de cela, on peut estimer quand même que cette Cour est créée intentionnellement à cette fin-là, afin de nous maintenir sous la domination. Les traitements de tous les dossiers que la Cour a, les, les dossiers que la Cour a traités, il y a des observations euh, sur pratiquement tous les dossiers. Je n'ai pas pleine connaissance des, des dossiers des anciens rebelles. Naïssa Joumanam, vous êtes en ligne depuis Filengue. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que la Cour pénale internationale a dévié de ses objectifs et de ses missions Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier les deux autres débatteurs et valident je valide entièrement leur analyse sur cette Cour pénale internationale. Alors, sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les tribunaux d'inquisition, le procès de Nuremberg, qui était considéré comme une occasion où les vainqueurs réglaient les comptes aux vaincus. Uh-huh. On avait estimé maintenant il faut acheminer vers une humanité plus juste, une humanité plus conforme, qui se conforme aux textes internationaux avec la, Commission, la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est ce qui s'ensuit, et ah. chemin faisant, les gens ont estimé mettre en place une Cour pénale internationale. Ah, ah. Alors, beaucoup d'États ont pu signer, mais d'autres ont refusé de ratifier. Ceux qui ont refusé de ratifier ce traité de Rome, c'est eux encore qui commettent les pires exactions que nous constatons à travers le monde. Si nous prenons le cas des États-Unis, à un moment, George Bush, qu'il soit fils ou qu'il soit père, ils ont détruit presque la totalité des pays arabes. Si nous prenons le cas de l'Irak, le cas de l'Iran un moment, le cas de l'Afghanistan, et éventuellement avec Sarkozy encore le cas de la Libye qu'ils ont détruit, uh-huh. en catimini, en cherchant une résolution auprès des Nations Unies, de l'ONU, pour pouvoir faire une intervention militaire musclée dans ces pays. Alors, tous ces pays n'ont pas été inquiétés. Les Africains ont constaté, chemin faisant, ils avaient foi à cette cour à un moment, mais chemin faisant, ils ont constaté que pratiquement, et les dossiers de quelques pays latino-américains, et la majorité, c'est des pays africains dans leur cas semble être traité au niveau de cette Cour. Et les gens ont estimé que pour une justice internationale, ils ont émis un sentiment d'injustice à l'égard de cette Cour. Donc, ce qui veut dire que cette Cour, les mêmes lobbies dont ils ont évoqué, qui l'ont créée uh-huh. et qui la pilotent, comment vous pouvez financer ou bien contribuer majoritairement au financement d'une institution comme la Cour pénale internationale et ne pas être en mesure de ratifier le traité. Il y a un, point, un, problème qui se pose ici. Donc, si nous parcourons les cas un à un, surtout sur le cas de Laurent Barbeau, je ne sais pas s'il est libéré hier ou bien aujourd'hui s'il sera libéré au niveau de cette cour. Le problème qui, avait, qui s'était posé au niveau de cette cour, il y avait une crise post-électorale qui avait suivi en Côte d'Ivoire. Uh-huh. Alors, Bagbo était le vainqueur des élections selon le Conseil constitutionnel ivoirien. Alassane Ouattara a été déclaré par les puissances internationales et il a traité seulement dans un hôtel. Il faut rappeler le, contexte. Et chacun avait des partisans. Ils étaient rentrés dedans. Et puis, bon, voilà, on, dégage les enquêtes préliminaires et on vient, on prend un à un. Et les plus connus, c'est Laurent Bagbo et Billy Goudé, qui ont été transférés au niveau de la Cour pénale internationale dans son hôtel. Et les partisans de Ouattara et Ouattara lui-même n'ont pas été inquiétés. Donc, ce qui a le sentiment d'injustice au niveau de l'histoire africaine. Et tout récemment, à l'avant-dernier du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont estimé faire un retrait collectif au niveau de cette Cour, même si quelque part les textes sont clairs, on ne peut pas faire un retrait collectif, mais nous avons estimé que les chefs d'État ont été largement sensibilisés pour que chaque pays africain fasse une demande individuelle qui de la Cour, le temps que les statuts soient revisités le, cinq tank elle-même, la Cour internationale, on lui attribue d'autres missions en fonction de la situation actuelle de l'humanité et en fonction des pays qui ont ratifié et des pays qui n'ont pas ratifié et ceux qui sévissent encore à travers le monde. D'accord, Nayoussa, on va donc y revenir avec vous dans quelques instants. Maître Rouana, pourquoi la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde, comme le disait tout à l'heure euh, Nayoussa, euh, n'ont toujours pas ratifié le statut de Rome Merci bien, c'est une question pertinente parce que, euh, euh, en un mot, c'est parce que ces pays-là, ils sont très jaloux de leur justice. Ils ne veulent pas que leurs citoyens ou bien même leurs dirigeants, même un simple citoyen, ils ne veulent pas le voir traduit devant une autre juridiction pour être jugé, ce qui suppose ou qui signifie la faiblesse de leur institution judiciaire. Voilà le souci. Et c'est pourquoi euh, vous allez constater que euh, dans les principaux euh, financiers de la Cour pénale internationale, vous avez le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France qui sont les principaux financiers de la Cour pénale de la CPI, et à référence au budget 2015 qui va jusqu'à 1,13 milliard pour entretenir près de 800 personnes qui sont eh, eh, animateurs de cette cour. Donc, en un mot, c'est les soucis et ils sont jaloux de leur indépendance et de leur souveraineté, raison pour laquelle ils, ils ont refusé. Parce qu'il y a trois membres sur cinq du Conseil de sécurité qui n'ont pas ratifié les traités. Donc voilà pourquoi ces États-là ne veulent pas eh, être dans cette cour-là à force de montrer à la face du monde la faiblesse de leur institution judiciaire. Donc voilà pourquoi. D'accord. Ablaziz, 9 des 10 situations sous enquête à la CPI ont effectivement eu lieu en Afrique. Les crimes pour lesquels ces personnalités africaines ont été inquiétées, selon vous, sont-elles justifiées Bien, je pense que c'est comme nous l'avons dit, eh, d'abord le, eh, le, mobile de la création de cette cour-là, eh, nous l'avons indexé. Et je pense que eh, il y a certainement des crimes qui sont commis, mais par qui C'est ça le débat. Tout à l'heure, Maître Leroy vous a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le Bagbo par exemple, qui a fait, qui a commis des crimes. Si même crimes il y en a. Il y a certainement eu un crime puisqu'il y a eu une guerre entre deux clans. Mais eh, le constat le plus désolant, c'est de voir que c'est un seul clan qui est arrêté au niveau de la CPI et qu'on dise que c'est la vérité qu'on recherche dans cela. Et la, plus, la situation la plus, la plus incompréhensible, c'est celle de la Libye, où aujourd'hui, eh, le monde entier est convaincu que, bon, voilà le vrai semeur de troubles en Libye, c'était Sarkozy qui a emballé sur la base des mensonges l'ensemble des pays de l'OTAN pour venir commettre tous les crimes qui ont été commis en Libye. Et aujourd'hui, on porte chapeau au, comment on appelle ça, au clan Kadhafi, pour dire qu'on recherche X ou on recherche Y, on recherche l'islam, au moment où la Libye elle-même eh, n'est-ce pas, amorce un processus de, de, réconciliation pour pouvoir et eh, vivre dans un état de paix comme tout le monde. Et c'est en ce moment-là que la CPI eh, renouvelle le mandat. Tout cela dénote de quoi De ce que j'avais dit haut. Cela veut dire qu'il y en a et parmi ces pays-là, parmi ces puissances-là, qui n'ont pas fini avec la déstabilisation de la Libye. Et voilà que les Libyens eux-mêmes veulent stabiliser leur État pendant qu'eux n'ont pas fini avec cette déstabilisation là Et aujourd'hui, renseignez-vous sur celui qui paye le pétrole. En Libye, vous savez que c'est pratiquement des, des, des, des factions, c'est des groupes de pression qui contrôlent chacun une portion du territoire. Uh-huh. Et dans chaque portion, pratiquement, il y a le pétrole, il y a, des, il y a autres ressources minières. Mais on constate que chaque portion, chaque faction qui contrôle une portion du territoire arrive à vendre ces ressources-là. On se demande auprès de qui ils vendent ça. Mais c'est auprès de ces mêmes gens-là. Donc, aujourd'hui, le fait de, de, faire fi, n'est-ce pas, des aveux de David Cameron lui-même et même de Obama sur la situation en Libye, comment ils ont été emballés, n'est-ce pas, dans cette guerre-là, par, aussi de l'alerte du président nigérien De l'alerte du président justement relativement à la somalisation de la Libye, mais aujourd'hui, la Libye vaut mieux vivre en Somalie que de vivre en Libye. Et je pense qu'ils euh, font fi de ça malgré le fait que c'est les responsables occidentaux tels que David Cameron qui disent que évidemment ils ont frappé la Libye par erreur parce que Sarkozy les a entraînés en er-, erreur mais ils font fi de ça. Sarkozy est libre aujourd'hui. Il mène sa vie politique en France comme il veut. Et c'est au même moment qu'on recherche Saif el-Islam, qui n'est que victime dans cette histoire-là. On a assassiné son papa, ses frères, beaucoup de membres de son clan. Il a été emprisonné pendant six ans par la justice de son pays. Je pense que s'il y a un minimum de respect à l'égard des institutions judiciaires de nos pays, on doit quand même faire foi à ce que nos juridictions ont fait. Nos juridictions, la, la justice libyenne l'a libéré et la justice libyenne également l'a amnistié. Normalement, s'il y a un minimum de respect, il ne doit pas revenir sur cela vous avez entendu, ils ont rappelé que le mandat d'arrêt qu'ils ont lancé eh, contre Saif al-Islam en 2011 court toujours pour dire qu'ils n'ont pas fini avec la stabilisation de la Libye et donc les Libyens, vous n'avez pas le droit de vous réconcilier. Pour, vous, pour vous, donc, la CPI doit d'abord chercher Sarkozy avant de venir vers ça. Exactement, c'est ce qu'elle doit faire, ne serait-ce que pour convaincre les Africains. Parce que eh, vous avez dit que 9 eh, des 10 dossiers qui sont traités sont des dossiers africains. Et donc, eh, rien ne peut aujourd'hui nous convaincre que cette Cour n'est pas créée spécifiquement et spécialement pour les Africains. Et je pense que eh, les Africains eux-mêmes doivent n'est-ce pas, faire foi à leur justice. Comme l'a dit Maître Lerouana, en réalité, ceux qui ont refusé de signer, c'est parce que non seulement ils sont jaloux de leur, de leur, de leur souveraineté, de leur justice, de l'indépendance de leur justice, mais bien plus, c'est parce qu'il y a cette intention manifeste de manipuler et de fragiliser le système judiciaire de l'autre. Parce que tant que et on ne prouve pas que tu n'es pas à mesure de juger une affaire criminelle, donc, on ne peut on n'a pas le droit de réclamer cette personne-là à la CPI. Il faut qu'on montre que ton système judiciaire est fragile. Et c'est cela, en réalité, l'esprit qui les anime, c'est ces deux esprits-là. Non seulement fortifier leur, institution judiciaire, mais aussi créer les conditions de discréditer et de fragiliser le système judiciaire. D'accord. Naïssa est-ce en Afrique simplement que ces types d'exactions sont commis Écoutez, nous ne sommes pas là pour défendre le continent africain. Nous reconnaissons qu'il y a des exactions en Afrique, il y a des abus, il y a des violations massives des droits de l'homme sur le continent à travers les différents conflits qui sont en train de sévir dans différents États africains. Uh-huh. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la justice internationale doit être universelle. Elle ne doit pas prendre les couleurs selon les cas et selon les circonstances. Le premier client qui devrait siéger à la Cour pénale internationale, il s'appelle George Bush. Le deuxième qui doit le suivre, il s'appelle Sarkozy. Et avec tous ceux qui les ont appuyés, la destruction de l'Irak et de la Libye. Alors, si aujourd'hui, tout cela on fait fi, parce qu'on on est en train de prétexter qu'ils n'ont pas ratifié, ou bien pour non-respect, n'est-ce pas, de certaines procédures, je crois que c'est ça qui contribue à discréditer la Cour, euh, euh, cour pénale internationale. Et sur quoi personne ne peut convaincre un Africain que cette Cour n'a pas été mise en place pour soigner les comptes à certains prisonniers indélicats. Voilà toute la réponse à ce niveau. Et je crois qu'au plan interne, nous devrons renforcer notre système judiciaire, renforcer les capacités de nos tribunaux, surtout la Commission de justice de l'Union africaine qui devrait prendre en charge certains cas de violations massives des droits de l'homme, uh-huh. certains cas de crimes de guerre et certaines violations en matière de mutilation entre que nous constatons sur les enfants et sur les femmes. Le dernier procès du au Sénégal a démontré aux Africains que nous avons la capacité, la compétence nécessaire pour faire un procès d'un dictateur, d'un violateur de de l'homme sur le continent. Alors, à défaut de révisiter la Cour pénale internationale pour lui donner une autre mission, je crois que les Africains doivent être jugés sur leur propre sol le temps qu'ensemble nous puissions regarder cela. Parce que nous ne sommes pas seulement des accompagnants, nous sommes des États partis qui avaient signé et ratifié en même temps le protocole, contrairement à d'autres qui ont refusé de ratifier ce protocole. C'est pourquoi nous estimons que cette fois-ci, il faut mettre sur la balance la justice internationale et l'équité tel le traitement des dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. Chemin faisant, c'est toute chose qui permettra de ramener la, stabilité de nos États et la crédibilité de cette Cour. Chemin et encore, ce qui est clair, il faut dénoncer aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies semble elle-même démontrer ses limites. On obtient une résolution à 16 h et on frappe à 6 h du matin. Vous comprenez très bien la rapidité à travers laquelle certains États appelés puissants à travers le monde influencent tous ces mécanismes de décision au plan international pour qu'ils puissent accéder à leurs fins. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'en tant qu'Africains, nous sommes lucides et c'est tout à fait normal que nous créions un courant révolutionnaire au niveau de cette Cour. Non pas que nous la récusons dans son statut actuel, mais nous invitons n'est-ce pas, cette instance à ce qu'on puisse revisiter les textes qu'il a font et qu'on puisse lui donner d'autres missions qui tiennent compte de la réalité du moment et en même temps de nos sentiments et de toutes les critiques que nous avons formulées. Je reviendrai donc à vous dans quelques instants, Neyoussa Jumraou. je rappelle que vous êtes en ligne depuis Filengue. Maître Lirouana, les crimes pour lesquels les personnalités africaines ont été inquiétées par la CPI en tant que juristes sont-elles justifiées Les crimes, euh, ceux qui ont constaté tout de suite, je ne peux pas dire qu'ils sont injustifiés, mais à travers des informations que nous avons reçues, et que nous suivons, effectivement, il y a des crimes qui ont été commis. Il doit falloir faire l'investigation pour savoir par comment ces crimes-là ont été commis et exactement comment ils ont été faits. On ne peut pas dire que les crimes n'ont pas été commis. C'est vrai que les crimes ont été commis, mais le plus important, c'est de savoir les circonstances et la manière de comment les crimes ont été faits. Donc, raison pour laquelle, et quand vous prenez le travail euh, de la Cour pénale internationale, exactement, et deux fois, elle a des difficultés même d'être sur le terrain, elle-même pour constater et avoir les preuves. Elle est souvent fondée sur les rapports et les enquêtes des ONG. Or, nous savons ceux-là qui financent les ONG et les associations. Donc, raison pour laquelle quand vous prenez du part les pays qui sont membres de la CPI, uh-huh. nous avons 39 États dans le continent africain. Nous avons 19 États de l'Asie et du Pacifique. Nous avons 18 États de l'Europe orientale. Nous avons 28 États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous avons 25 de l'Europe occidentale et autres. Donc, Dieu sait aujourd'hui, et nous le savons exactement, les crimes qui sont en train d'être commis en Asie, notamment aujourd'hui dans le Moyen et le Proche-Orient. Nous le savons pertinemment. Donc, en un mot, c'est vrai qu'il y a des crimes. je pense que les pays dans lesquels ces crimes-là sont en train d'être commis, il revient à ces pays-là de revoir leur système judiciaire, de faire confiance à leur système judiciaire pour qu'ils prennent en charge toutes sortes d'infractions qui peuvent être commises sur son territoire au lieu de laisser le fil tiré par des lobbies, qui influence l'ONU. Comme je viens de le dire, trois membres des cinq du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas ratifié. Mais lorsqu'il s'agit de faire la peau à un dirigeant qui ne se soumet pas pour des intérêts du pétrole et des mines, la même organisation des Nations Unies fait recours à la CPI. Donc c'est comme si vouloir une chose et son contraire. Lorsque ça arrange les grandes puissances pour leurs intérêts, il ah, faut recours à la Cour, bien que cette Cour... Ah et, ils, ne l'ont pas accepté par la ratification. Donc vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Les États africains ayant fait part de leur intention de quitter le statut de Rome de la Cour pénale internationale ont évoqué la critique post-coloniale d'une justice de blanc ne visant que des Africains. Euh, Ablaziz, est-ce que les chefs d'États africains ne cherchent pas à se dérober des sanctions de la CPI pour continuer à perpétrer les crimes je pense que si tel est leur vouloir, ils ont trouvé un bon prétexte. Et c'est la Cour pénale internationale qui a donné ce bon prétexte-là. Comme nous l'avons tous souligné, qu'il y a eh, eu des crimes commis par des gens qui sont identifiés et que le monde entier eh, peut confirmer qu'évidemment ce sont ces gens-là qui sont responsables, n'ont pas, été inquiétés par cette Cour. Et j'ai dit, si elle a vocation universelle, je pense qu'elle eh, ne devait pas attendre que le pays soit ratifie, n'est-ce pas, le traité de Rome pour que des crimes qui sont commis par des citoyens de ces pays-là soit jugé. Je donne l'exemple de la Libye qui n'a jamais ratifié ce traité-là, mais Aujourd'hui, des responsables libyens sont inquiétés par la Cour pénale internationale. Donc, je pense que eh, eh, il y a certainement à craindre, n'est-ce pas, des abus de la part de ceux qui veulent, qui se retirer de la CPI. Mais je pense que comme palliatif, il faudrait redynamiser la cour, la, cour africaine. Il faudrait également brandir le modèle sénégalais. J'ai beaucoup salué la mentalité des Sénégalais qui ont refusé d'extrader, euh, comment il s'appelle, euh, Sénabré, n'est-ce pas, vers une autre cour que celle africaine, parce que je considère que s'il est jugé au Sénégal, il est jugé non seulement par les Africains, et aussi sur la terre africaine. Je pense que quel que soit euh, l'issue du procès de Sénabré, il doit en être fier parce qu'il est jugé chez lui. D'accord. Et je pense que on ne va pas tout de suite et maintenant parler du retrait, n'est-ce pas, de nos États de la CPI. Et il faut plutôt encourager cette cour-là à, avoir clair, à avoir les yeux ouverts euh, sur, sur, la situation, sur la préoccupation des Africains. Nous ne pouvons pas continuer à donner, à livrer des Africains à la CPI pendant que eh, ceux qui ont commis des crimes, y compris sur les Africains, continue à courir euh, tranquillement. Donc c'est cela que nous pensons, c'est en cela que nous pensons que c'est juste un instrument de domination de plus, puisque il n'y a plus, il n'y a plus la colonisation sous sa forme classique. Il faudrait que euh, dans une euh, forme plus ou moins moderne, plus ou moins intelligente, que ça continue. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ceux qui pilotent ou ceux qui financent, pour parler en termes clairs, la, la, Cour pénale internationale, ils peuvent créer des situations, n'est-ce pas, de, soulèvements soulèvement dans ton pays quand tu es un président, surtout qui n'est pas à leur solde, n'est-ce pas Et quand ils peuvent également te donner les moyens de, de mater ces remous-là, de mater cette rébellion-là, et par la suite t'extrader vers la CPI. D'accord. C'est comme si c'est pratiquement un hameçon qu'on fait avaler et les dirigeants africains pour pouvoir mieux les tenir. D'accord. Nayusla Jumurao, est-ce que les chefs d'État africains ne cherchent pas à se dérober des sanctions de la CPI pour continuer à perpétrer des crimes Je crois que c'est les circonstances et les moments qui leur offrent l'occasion. Mais nous n'encourageons pas que ces dictateurs bien connus sur le continent, qui sont des violateurs certifiés des droits de l'homme, puissent être les premiers à pouvoir amener les lettres de retrait au niveau de cette Cour ce qui est important, c'est que la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, quand elle s'est penchée sur la question, il faut qu'il y ait une large sensibilisation. Je crois qu'ici, l'effet, il, est, pédagogique qui a été recherché à travers cette avant-dernière réunion des chefs d'État de l'Union africaine. Ce qui est important, il ne peut pas avoir de retrait collectif, mais aujourd'hui, le sentiment déjà que certains États africains ont pu matérialiser cette demande de retrait de la CPI vous avez vu très bien, pour, un, ouvrir une parenthèse, la Gambie, ce qui était arrivé. Tous les lynchages qu'il avait eu sur le président n'y avait jamais. Il a fallu que Adama Barou accède au pouvoir et moins de 14 jours. Et la deuxième décision qu'il prend, c'est la c'est de réhabiliter la Gambie au niveau de la Cour pénale internationale. Pour voir très bien. Je crois que ce qui est important, les rébellions sur le continent, n'est-ce pas Les terroristes sur le continent, on sait qui les finance. Et quand vous devrez faire face à une rébellion en tant qu'État souverain, vous devrez prendre votre courage en tant que chef d'État. Et après, on revient, enfin fait le décompte des cadavres, on dit qu'il ah, y a eu violation massive de l'homme. Et qui a financé cela, qui a orchestré cela, et même les intelligences qui ont réfléchi sur la création de cette cour et qui ont refusé de ratifier Ce qui est important aujourd'hui, je crois qu'il va falloir que nous puissions continuer une telle Cette fois-ci, que la question puisse être appropriée par les citoyens africains qui peut influencer les gouvernants pour que, s'il y aura retrait, qu'il y ait retrait de ces différents États et que nous puissions redynamiser, comme je l'ai dit, la Cour de justice de l'Union africaine et que nous puissions, au plan interne, au niveau des États souverains, renforcer notre, système judiciaire et faire en sorte que tous les crimes ne soient pas et, eh, et que chaque citoyen trouve son compte devant un procès équitable avec toutes les garanties qui sont D'accord, Nayoussa. Maître, Maître Lirwana, est-ce que vous partagez ce point de vue sur, cette question Oui, je, partage euh, euh, euh, ce point de vue dans la mesure où et, Nayusa avait insisté beaucoup sur la réhabilitation ou bien le renforcement des capacités de nos institutions judiciaires. Effectivement, c'est ce qu'il doit falloir faire. Si vous prenez la justice de l'Union africaine aujourd'hui, elle traite des dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont pendant devant cette juridiction et elle continue à les traiter. Les ressortissants africains saisissent régulièrement la justice de l'Union africaine sur les violations des droits de l'homme et elle fonctionne. Mais le ah. seul problème, c'est d'atteindre les dirigeants qui ont une difficulté. Et cette difficulté-là, je pense qu'on peut la pallier du moment où les Africains aujourd'hui se sont rendus compte de la limite et de la sélection du traitement des dossiers au niveau de la CPI, c'est important que les Africains aujourd'hui reviennent pour voir comment ils vont eh, renforcer effectivement les capacités de cette justice de l'Union africaine pour qu'elle puisse fonctionner normalement et surtout les dossiers. Quand vous prenez les bureaux externes de la CPI, mais tous les bureaux sont en Afrique. Nous avons au moins cinq bureaux qui sont installés par la CPI en Afrique, notamment à Kinshasa, en RDC, en Ouganda, à Kampala, en Ouganda, mhm. à Bangui, Centrafrique, Nairobi, au Kenya, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sont des pôles que la CPI avait créés. Et en dehors de l'Afrique, il n'y a aucun pôle. Et Dieu, seul sait que aujourd'hui, dans euh, les pays asiatiques, notamment dans le Proche et le Moyen-Orient, les crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui en Syrie. Donc il y a une nécessité et un besoin de créer d'autres pôles dans le monde, mais qui n'existent pas. Donc je pense que de la même manière que les ONG qui étaient à l'avant-garde de la création de cette euh, cour là appuyée par un lobby invisible. C'est de cette même manière-là que je pense que les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG en Afrique euh, euh, qu'ils prennent vraiment toutes leurs responsabilités pour essayer de voir euh, comment nos juridictions peuvent prendre en charge euh, les dossiers de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. Ablaziz Maman, vous êtes membre du comité de soutien pour la réconciliation du peuple libyen ici au Niger. Saif al-Islam, fils de Kadhafi, est aujourd'hui dans le collimateur de la CPI, vous l'avez dit. Que, devrons-nous comprendre de cette euh, action de la Cour en Libye Je pense que la Cour n'a pas agi par elle-même. Il y a euh, un certain nombre de pays qui aujourd'hui se retrouvent dans la déstabilisation de la Libye. Je l'avais fait cas euh, en parlant, n'est-ce pas, de l'achat des ressources auprès y compris auprès des terroristes, parce que vous savez que quand vous prenez la Tripolitaine et même l'autre bande vers, vers Benghazi, c'est pratiquement des zones qui sont contrôlées par les terroristes et qui continuent à occuper des espaces où se trouvent des champs pétroliers, où se trouvent des, des, grandes raffineries, où se trouvent des, des, comment on appelle ça, des, terminaux de, de, pétrole. Et ces ressources-là sont vendues par ces mêmes terroristes-là. Et alors, donc, dans cette situation, on peut penser qu'un État responsable quand même ne doit pas agir de cette façon-là. Or, on constate que chacun, comme je l'avais dit, a la possibilité de vendre des ressources, particulièrement à l'Occident. Et donc, eh, ces États-là qui ont intérêt à la déstabilisation de la Libye ont certainement un point de vue ou eh, une certaine influence, eh, n'est-ce pas, à peine voilée sur, la, CPI. CPI. Parce que aussitôt et qu'ils constatent leur intérêt menacé à travers l'unification de la Libye. Et tout de suite et maintenant, la CPI a parlé de son mandat d'arrêt qu'elle avait, qu'elle avait lancé depuis 2011. Donc, je pense que ce sont ces, lobbies-là qui, sont derrière, qui sont derrière cette, euh, nouvelle menace de la CPI contre Saif islam mm. Or, je pense que, comme je l'avais dit, nous devons, la CPI aussi, si elle veut que les, États continuent à la respecter, il faudrait qu'elle aussi qu'elle respecte les juridictions. Il faut qu'il y ait une certaine complémentarité entre les, les justices nationales et la, Cour pénale internationale. Je ne sais pas si Maître peut-être va nous donner un éclaircissement là-dessus, mais je pense qu'une affaire traitée par une juridiction nationale, traitée, j'ai dit traitée donc aller du début jusqu'à la fin de la procédure, parce que jusqu'à arriver à l'amnistie, je pense que ce scénario-là ou cet épisode est close à partir du plan national. Je ne sais pas si encore la CPI a une autre raison de considérer que notre justice n'est pas la justice et que c'est elle qui, a la justice, qui est la justice. Je pense que il y a quand même un certain mépris à l'égard de la des autres pays. Il faudrait que ce, décalage-là. On va suivre l'éclaircissement de maître justement sur cette question, mais le temps de, prendre Nayusa Ajumarao. Nayusa si les pays africains quittent la CPI, va-t-elle poursuivre ses activités Aura-t-elle une raison d'existence Non. Je crois que la base naturelle de l'existence même de la CPI, c'est le continent africain. C'est pourquoi vous voyez toute cette agitation. Ben Souda était venu au Niger et elle pense faire le tour de certains pays africains. Mais ce qu'il faut rappeler, le sentiment anti ces pays ne vient pas des gouvernants, il vient des citoyens de différents États africains. La mhm. Cour pénale internationale, Simone Bagbo, elle devrait être livrée. Mais la Côte d'Ivoire a estimé de faire un procès équitable sur le territoire ivoirien. Il y a eu procès, elle a été condamnée et c'était un procès équitable. Alors elle aurait dû rejoindre son mari, ce qui veut dire que même Laurent Bagbo, tous ceux qu'on l'accuse, on peut les sur le sol ivoirien parce que et Madame Bagbo et Atingessan, on estime qu'ils ont commis des crimes de guerre. Mais les deux derniers étaient jugés sur le continent, sur le sol ivoirien, avec la justice ivoirienne qui les a condamnés et qui a libéré beaucoup d'autres qu'on estime être des criminels de guerre post-électoraux en Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, on ne fait pas action, c'est les citoyens des États africains qui vont contraindre les chefs d'État à pouvoir faire en sorte que chaque État dépose une demande individuelle de retrait au niveau de cette Cour. Alors, si on ne veut pas qu'on arrive à ce scénario, ce qui est important, cette Cour doit recenser l'ensemble des critiques sur le continent, et je crois qu'elle les a recensées, pour pouvoir faire en sorte que les textes qu'il a créés les missions qu'on l'avait attribuées puissent être revisitées pour être d'accord quelque part avec un dirigeant de l'Union, d'une organisation des Nations Unies, qui l'incapacité de faire face à certains conflits à travers le monde, surtout en Afrique. Il disait que l'ONU n'a pas été créée pour conduire l'humanité au paradis, mais pour la faire sortir de l'enfer. D'accord. En transposant cette citation au niveau de cela, on sûr que la Cour pénale internationale elle-même, elle se D'accord. D'accord, nous on n'a que quelques minutes. quelles sont les conditions de prévention que cette Cour crée Mais la Cour est là à la défensive elle n'attend seulement qu'on commette les exactions pour pouvoir dire rapatrier notre chef D'accord. Nous, on que quelques minutes devant nous pour clore ce forum. Euh, on revient avec vous, maître. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette action de, la CPI en Libye Oui, je pense que l'action de la CPI en Libye, c'est euh, résoudre un règlement de compte euh, vous avez vu que lorsque la CPI a déjà produit un rapport sur cette question, mais le rapport, lorsqu'elle avait incriminé les intouchables, David Cameron et puis euh, euh, Sarkozy lui-même, la Cour s'est retirée de, en pointe de pied. Et c'est maintenant qu'elle revient à la charge sur le fils de Kadhafi. Comme l'a dit Aziz, il a été jugé, il a été acquitté. Donc, de ce point de vue, il y a une autorité de la chose jugée. Il n'y a pas lieu encore à revenir sur cette décision qui a été rendue par la juridiction libyenne au coup de considérer que euh, euh, euh, la justice africaine est une mauvaise justice. Donc, sur lequel moi je ne suis pas d'accord. Donc, étant donné que l'affaire a été déjà jugée, on considère qu'elle est close. C'est comme si aujourd'hui on peut dire, on, dit que la Libye et, n'a pas bien rendu justice, c'est comme si on peut revenir également sur le cas de Hissène Nabré aujourd'hui pour dire que c'est mal jugé, on doit reprendre. Donc moi j'estime que eh, c'est une très grande faiblesse. Et des crimes ont été commis partout dans le monde, notamment en Afghanistan, où la Cour a produit un rapport qui a été eh, eh, balayé d'un main de revers par les États-Unis pour dire que le rapport n'est pas approprié. Et il y en a des cas où la Cour avait reçu des instructions et des enquêtes des ONG concernant des pays pour lesquels la Cour n'a pas pu accéder pour juger. D'accord, maître. Une dernière question à tous. Tous les chefs d'État africains pourront-ils faire bloc pour quitter la CPI en quelques mois oui, ils pourront faire bloc, mais moi je ne suis pas d'accord de se retirer comme ça sans pour autant créer une alternative. Et l'alternative, je pense que c'est celle de la réhabilitation ou bien de renforcer les capacités eh, institutionnelles et financières de notre justice de l'Union africaine, je pense qu'elle peut faire mieux que la CPI avec un sentiment de justice pour tous les Africains. Ablaziz Oui, je partage cet avis de, Maître et je pense que c'est en cela que réside notre salut. Nous devons redynamiser nos institutions internes et faire foi à ces institutions-là tout en érigeant une sorte de barricade à ce que, eh, n'est-ce pas, de l'extérieur qu'on nous... Puisque ce n'est pas exclu. Et je pense que ces institutions-là aussi, eh, qu'il y ait une main invisible de l'extérieur qui va nous connaissons un peu notre attitude. Tout de suite, quand on crée un truc, on peut dire qu'il faudrait que les partenaires techniques et financiers nous appuient. D'accord. Donc vraiment, il faudrait que cela cesse pour que eh, nous puissions quand même juger nos propres affaires. D'accord. Il y a un risque parce qu'il y a encore des Boukassa, de Idi Dada et des Issa Nabri encore sur le continent qui peuvent saisir. La fierté que nous pouvons récolter de l'autre côté, c'est qu'en tant que citoyens des États africains, si nous, arrivions à convaincre nos chefs d'État pour un retrait individuel de chaque État de cette Cour, le temps qu'on révisite ces statuts et on lui donne une autre mission, je crois que c'est une victoire que nous avons gagnée. D'accord. Naoui vous merci. Nous sommes au terme donc de ce forum du studio Kalangou. En conclusion, on peut dire que tous les trois invités ont plaidé pour le renforcement des capacités des institutions judiciaires des États africains et avoir plus confiance à cette justice. Dans ce studio, nous avons eu comme invité Maître Lirwana Abdraman, juriste, Ablazi Maman, membre du comité de soutien pour la réconciliation du peuple libyen et, de, en ligne de Filengue, Nayusa Jimraou, acteur de la société civile. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.